đi chết đi chưa đâu gần đi người chơi đi. phi hoài luôn chỉ nhà của cô lời họ muốn đi chỉ đi gió cả toujours dans votre scandale du jour euh, de ce mardi 7 novembre 2023 ginnaaw bi nga xamante Macky Sall def discours bi nga xamante le Sénégal est au-dessus de ma personne xamal ni Sénégal moo mon personnage, personne dit di Macky Sall bi nga xamante ni Sénégal lan du chroniqueur journaliste togolais yi par rapport ak sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi nekk seen dëkk comme ni ko Olof Ndiaye di waxee tubaab bi di ko waxee nul n'est prophète chez soi balaa ngay euh, wàlli yaani dafa fekk sa dëkk moo tëggul yaakaar naa ne dañu war a njëkk tëgg suñu dëkk balaa ñuy wàlli yaani donc nañ seetaani vidéo bi nga xamante ni analyse bu am solo bi nga xamante ni suñuy ay confrère ay naatangoo yu dëkk Togo yan réaction la ñu am ci li nga xamante ni mooy décision bi Macky Sall ñu seetaan vidéo bi nga xam ni journaliste togolais yi ñoo doon def seen analyse wute ngeen ak journaliste sénégalais yi de seetaan bi six minutes la mais bi sax moo ci solo nee nañ li xew Sénégal yoonu président Macky Sall newu ci lépp lépp waa ex Pastef la ak seen ex Sonko problème bi yëpp moom la ñi blessé ñi dee lépp moom la waaye yéen ute ngeen journaliste sénégalais yi waaye seetaan Il y a eu des morts parce qu'un leader a, laissé croire à ses militants qui... qu'on le poursuit parce qu'il est le seul qui combat la troisième candidature. Donc les morts n'ont pas un lien direct avec la de troisième candidature. Mais contre l'empêchement de la candidature de Sonko. De toutes les façons, Sonko a réussi le hein. coup de dire aux gens tout mon problème à la justice, c'est parce que je suis contre. Et Macky Sall veut être. Allez, maintenant, avec la violence qu'il y a eu, Macky Sall, même s'il allait à cette élection, il aurait eu du mal à battre facilement. Parce que Sonko a réussi à montrer aux Sénégalais que Macky Sall serait prêt à marcher sur les cadavres pour bah avoir un troisième mandat. Et je pense là-haut, c'est pas la pression, mais quand il dit le pays au-dessus de lui, c'est un peu ça. Il ne peut pas, s'il le déclarait hier, il y aurait peut-être des morts aujourd'hui. C'est ce que veut dire à demi-mot euh, Macky Sall Voilà. le euh, oui, au-dessus, parce qu'il voit que certains sont prêts à mourir contre sa candidature. Il dit que Malgré le fait que la loi lui autorise, donc rien ne l'empêche d'être candidat. Et il le sait, que rien ne l'empêche, et son co le sait. Wad aussi était allé dans ces mêmes conditions. Il est allé aux élections. Donc Macky a pu aller aux élections. Il se dit, mais avec tous les problèmes qu'il y a autour de cette candidature, s'il est candidat, ça va effacer tout le boulot qu'il a fait et qui, en temps normal, pourrait pu permettre sa réélection. Tellement il y aurait eu de la violence et que ça, sur un argument pour l'opposition, pour montrer que voilà, c'est quelqu'un qui se met en avant, les intérêts du pays ne l'intéressent pas, la paix ne l'intéresse pas, c'est le troisième mandat qui l'intéresse. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où il dit le pays le dépasse, le pays est au-dessus de lui. Mais après, les morts en réalité ne sont pas liés à sa troisième candidature. C'est parce qu'il y a eu un leader qui a su politiser cette affaire en disant L'affaire du viol est totalement fausse. On a instrumentalisé la justice pour m'éliminer parce que c'est moi qui combat. Alors, si je, je, reste dans votre logique, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas permis à Sonko de se présenter pour l'élection de 2024, la rue continuera sa mobilisation En fait, c'est la stratégie de Sonko. Il se dit, il, a n'était pas sûr que Macky Sall ne serait pas candidat. Mais après, il se dit, si Macky Sall n'est pas candidat, c'est que mon élimination est déjà actée par la, justice. il dit, si par miracle, Macky Sall n'est pas candidat, il faut continuer quand même pour que moi je puisse être candidat. Alors il se bat. Moi, j'ai écouté un peu ça, une de ses vice présidences du PASTEF hier sur France 24, qui a été reçue juste après ce discours-là, mhm. qui estimait que la mobilisation allait continuer. Mais sauf que après, Sonko aussi devrait faire le même exercice que Macky Sall faut dire que le Sénégal est au-dessus de moi. Est-ce que justement, c'est pas que... piège que, Macky Sall tend à Sonko aujourd'hui C'est certain. Il n'y a pas du moment où les deux aujourd'hui se sont éliminés. Mhm. sans quoi a tout fait pour éliminer Macky Sall. Macky Sall aussi. C'est déjà fait, en fait. En réalité, Sonko gagnerait si tout le monde y allait. S'il n'avait pas politiser cette affaire. Maintenant, peut-être son objectif n'était pas d'être président, c'était d'empêcher cette candidature. Mais si son objectif était d'être président, moi je crois que lui aussi, il sera amené à prononcer le même discours que Macky Sall hier et à dire que le Sénégal est au-dessus de lui pour que ce militant arrête aussi la violence et pour que les autres puissent aller tranquillement à cette élection. Voilà. Est-ce que c'est la volonté du peuple, c'est la volonté des politiciens qui prévaut par rapport euh, et qui est au-dessus donc de, de, la dite constitution euh, dont on dispose C'est ça le problème. On ne peut pas parler à la place de la constitution. Si la constitution, en 2016, euh, il a fait le, qu'on appelle le, le toilettage et que cela lui permet de se repositionner. On attend le moment venu, Macky Sall pose sa candidature. Mais la personne n'a pas parlé, Ousmane Sonko, mais je crois qu'avec là, il a fauté. Vous, n'êtes pas du même bord. Du bord, bord parce que la façon dont il a mené le truc, Macky Sall n'a pas tué. Pour moi, Macky Sall n'a pas tué. C'est parce que on a, suscité un, problème au moment où il ne le fallait pas. Hum, oui, pour euh, Oui, moi je pense que euh, le sort de Sonko est scellé. Aujourd'hui, Ousmane, Sonko, véritablement, lorsque nous voyons ces, morts-là, personne ne peut dire que euh, Ousmane Sonko n'en est pour rien. Mhm. Tout simplement parce qu'il sait que ce sort-là est scellé, qu'aujourd'hui, il appelle la rue à toujours se mobiliser. Maintenant, on se mobilise contre qui Il verra que cette mobilisation, elle ne va pas prendre. Tout simplement parce que ce dont on luttait avant, dont tu nous donnais les arguments, parce qu'il y en avait également, je l'ai dit tantôt, lorsque vous prenez euh, les narratifs de... Tu présageais un troisième mandat de Tout à fait, tout à fait. Mais aujourd'hui, il renonce. Maintenant, tu nous dis à se mobiliser par rapport à quoi Par rapport à lui, sa candidature. Mais bien évidemment, ça ne va pas marcher. Parce que lui également doit se mettre au-dessus de la mêlée et doit savoir qu'il est. <laughs> au-delà du, Sénégal. et quelque part, Tout à fait, de sa personne. Ce que lui ne veut pas admettre, qu'il veut coûte que coûte que sa candidature soit maintenue, ce qui ne peut pas être le cas. Ah, parce que quelque part, il est comptable. il est, naturellement qu'il est tombé dans le piège sans le savoir également. Mais on pense que la force rejoue pratiquement tous les problèmes, ce qui n'est pas forcément le cas. parce que quelque part, lorsque vous prenez, c'est ce qui fait aujourd'hui Sonko, en pensant que cette force de mobilisation-là, pour abattre un adversaire qu'on ne connaissait même pas le statut, dont on ne savait même pas le statut s'il allait se présenter ou pas. Aujourd'hui, voilà euh, que le sort est scellé quand il dit « je n'y vais pas ». Et justement, il a des arguments également. Ces arguments-là, est des attitudes de son co qui lui, lui a donné. Et aujourd'hui, je pense que Macky Sall sort par la grande porte, mais également euh, son co risque de sortir par la petite, porte, par la petite porte s'il ne réadapte pas hein, son narratif par rapport

Togo alors que le problème ça concerne le Sénégal ay journalistes que ci Sénégal Ils jël une responsabilité il jël sen courage en deux mains melni ay journalistes yo xamanteni jël li nga xamanteni mom lañu la wax askan bi ñu saluer ko ko yuuxu ko bañ koy partout aduna bi yépp naw leen ñu ragal ko togolais, ay togalé ñoo koy waxal décision le Sénégal au-dessus et au-dessus de moi ma personne Ousmane Sonko su ko du mu ndaxte Macky Sall woon na ni que tey moom xam na ni que Sénégal moo ko sut Ousmane Sonko nag dafa jàppoon ni moom moo sut Sénégal sut ku yeewoo Sénégal sut ku créé ku sàkk Sénégal moo tax tey li ko fi fekk fekk ko fa ba mu jël dossier yëpp daal di koy politiser diffamation mu politiser ko ñu di le viol nga politiser ko alors que suite boti amul ministre bu fay liggéey amul état bu fay liggéey amul benn membre état bu fay liggéey kon donc je crois que lu am solo la tey képp ku yeewoo Sénégal di téye micro di titre journaliste nga war nga ko am tuuti ndaxte ñemewu leen affronter la vérité quand la vérité était en face de vous. bi tangé deug dëgg ñemeew leen ko jël ndax lan bañ na kuma saga ndax lan bañ na wa Sonko mere ma ndax lan xeyna Sonko moy nek président 2024 yàlla rek xam kuy nek président kon su nekké président mën na ma jox poste wala mën na ma nommer chargé de communication wala chargé de mission aduna soy liggéey da ngay liggéey ak sa askan d'abord xalaat ni ka yàlla mo la fi tek Ousmane Sonko bi ngeen ragal tay yéen ko jitu ci média jiit njëkk ko siw ñu njëkk leen xam ba ngeen di yor nekku fi kon donc nit da ngay gëm yàlla bala ngay gëm keneen muy analyse bu am solo bi nga xamanteni ni di journaliste togolais sur la décision et le discours du président Macky Sall bi ñu comparé li nga xamanteni moy discours Ousmane Sonko su demee ba togolais xamné Ousmane Sonko nekkul ci deug, te dëkkuñu Sénégal ni Sénégal yow nga yeewoo Sénégal di ndékkee Sénégal di agné Sénégal di réré Sénégal suivre lepp lo xamanteni Ousmane Sonko def nako ko sa saa yu waree def live ñepp koy toog ko seetaan yow del sur sa plateau ñemoo liste li Ousmane Sonko def wala soo koy liste koy bref bref maanaam romba jàll ba tey nag téye si Macky Sall Macky Sall Macky Sall gis nga dans la dëgg rek koy mujj lu dul dëgg xolal du mës a bi kon nañ ci bàyyi bu baax a baax. jadi jadi jangan tahu